le back dance. C'est avec ça que j'ai commencé. Et après, j'ai pu avoir deux ou trois formations pendant trois ans de la danse contemporaine. Donc euh, maintenant, je fais les deux, Battle et Clash face à face, freeze. Et pour moi, c'est la danse la plus compliquée. Tourner vite sur les bras, il y a des positions où tu dois te mettre sur un seul bras. J'ai eu l'occasion d'organiser des, des événements ici, des petites rencontres dans des endroits publics avec les danseurs qui font la même chose que moi, parce que j'ai compris qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'activités dans ces domaines-là. Donc, c'est à nous de créer. Grâce à Dieu, dans l'année, je peux avoir euh, deux ou trois voyages entre Togo, Bénin, Nigeria et Burkina Faso, et Mali aussi, et Côte d'Ivoire aussi, euh, pendant le jeu de la francophonie. Et malgré la situation de la de la danse ici au Niger, moi j'ai cru à ça et c'est ça que je suis en train de faire actuellement. Donc j'ai pas mal voyagé et c'est ça qui m'a fait tenir aussi.